Je suis venu exposer à la foire. Bon, ça c'est des tubes de Bamako, je viens de Bamako, de Mali. C'est les gazinères, on a teinturé. On est venu pour vendre, mais vraiment, ça ne va pas pour le moment. J'ai payé le stand à 800 000 francs. Ces stands-là, mais les clients ne sont pas encore arrivés puisque je pense bien qu'il n'y a pas beaucoup de publicité. Et puis vraiment, c'est un peu cher pour nous. C'est ça, il n'y a pas de clients, le poire n'est pas comme avant. Hein. Maintenant, c'est le pays qui est un peu dur ou bien les gens n'ont pas d'argent. Parce que les jazzineurs là, avant ça marchait beaucoup, mais maintenant, pour vendre une pièce même, c'est un peu problème. Ça fait combien d'années que vous venez à la foire Ah là, là, là, une dizaine ou une quinzaine d'années. Hein. Depuis là, je viens, mais je n'ai jamais croisé comme c'est là où est là. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Peut-être bon. Est-ce que les clients viennent Les clients ne viennent pas, mais quand même, un rek, je n'ai pas dépassé peut-être 500 ou 600 000 hein, depuis que la foire a commencé. C'est le début, qui vend beaucoup de millions, mais maintenant, en tout cas, c'est un peu dur. Vous allez prendre combien Vous pouvez prendre 2 à 5 000. Prenez 2 à 5 000. Et qu'est-ce que vous pensez de, la foire, des, stands, des produits qu'on a eu à proposer c'est bien, ils proposent de bons produits, mais seulement il y a moins de pays. Je pense que les pays ne sont pas représentés, bien représentés. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent, surtout l'Afrique. Ce serait bon peut-être de l'ouvrir à d'autres pays. Mais c'est pas mal, c'est bien. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je ne sais pas si la publicité est bien passée. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. concernant les prix C'est un peu cher. C'est un peu cher, mais c'est certainement mondial. Les prix sont un peu chers. D'habitude, c'était plus abordable. Quels sont les produits que vous proposez Je vois du piment ici, l'huile de piment, c'est assez rare ici au Sénégal. Oui, oui, c'est fait spécialement au Rwanda. Hein. et c'est très bon, un très bon piment avec une arôme spéciale. Donc ça, c'est, je crois, c'est euh, ça, c'est le plus petit format. On a le plus grand format ici. Et voilà. Ça, c'est une marque à part et ça, c'est une autre marque à part. Ça, c'est de l'huile, mais ça, c'est mélange. Donc, il y a encore de fibres. c'est comme une confiture de piment. Et comment vous trouvez la foire, la foire internationale de Dakar C'est la première fois qu'on vient ici. Donc, on, attend, comme c'est encore au début, on espère euh, que ça va bien se passer. On ne fait qu'attendre. Depuis l'ouverture, vous voyez plus de clients. Est-ce que vous voyez les clients Ça passe petit à petit. On essaie euh, de les apprendre, de dire ce qu'on a. voilà. Oui, ça passe. Une personne, un client, ça va passe à d'autres produits que vous proposez qui viennent du Rwanda. Vous les des cafés venant, venant du Rwanda. Café rwandais. Hein? Ça, c'est du moulu. Et ça, c'est des graines. Là, c'est des graines. Ça, c'est les deux qualités. Mais aussi, on a, on a de l'instantané aussi. C'est cultivé, préparé tout, tout, tout, transformé au Rwanda. Vous avez vu le café du Sénégal Oui, j'ai déjà goûté sur le café Touba Café, mais c'est différent, c'est différent. Ça, le café Touba Oui, oui. C'est différent parce que ça, c'est euh, c'est pas mélangé. Quoi. Ça, c'est du champ, tu peux tracer euh, toute, l'évolution, tout le processus de ce café. Ça vient du champ jusqu'à la tasse. Et, euh, ça va bien, mais nous essayons d'éduquer les Sénégalais à prendre du, bon café. Quoi. Ouais. Je viens du Niger. Euh, une autre spécialité, c'est Comme Sénégal. Oui, les Touraï. Comme, dit, comme les Sénégalaises disent, et l'encens. Au, Niger, on l'appelle comment Dougou. Le Dougou. Dougou. En, français, oui. en français, c'est l'encens. Voilà, Dougou. Ou Tourarouta. Comme, ça vient de Tourarouta, Touraré. Attends, attends, le Touraï sénégalais, ça vient de quel mot vous dites Tourarouta. Tourarouta. Quoi en langue locale En langue locale, ça veut dire l'encens, l'encens que tu vas mettre dans, dans le feu et ça fait la vapeur. Et la vapeur là, c'est du, de l'encens vraiment euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces spécialités que vous avez proposées aujourd'hui Beaucoup de différentes façons de touraille. Il y a beaucoup de touraille différemment. Quoi. À part euh, touraille, on, vend cliché. Cliché, la viande sèche. La viande sèche, on vend ça. On vend euh, aussi de comment dirais-je, les produits de massage. Oui. On, vend aussi les, les affaires de femmes, secrets de femmes. Et venez, pardon, les, les, Sénégalaises ou bien les gens qui sont venus à la foire, venez découvrir euh, les merveilles du Niger. C'est à combien C'est Donc on démb ak foiru léegi ban comparaison nga ciy def. sa diamétralement opposé am na différence bu baax changé na. Mhm. lan moo waral mu changé luy changement. ba heure bi ñun amuñu temps bi temps bi toog di waxtaanee sax amuñu ko mhm. mais ren gii. léegi nii at yi nii at yi passé nii ak ren gii de fur et à mesure at yi di dem rek soit di changé. changement bi nan la ci wàllu njarte gi la wala. nit ñi bu ñu ñëwul njarte di am nit ñi sa nit ñi njarte bi moo ngi dépendre si nit ñi te nit ñi il faut ñu ñëw mu am njarte jënd nañ exposé nañ ni mu doon mel année yee bokkul ak yi mu doon mel année yi nii waaw amul clientèle je ne sais pas si si publicité bi la ba xam ndax publicité bi moo jàllul. xamuñu tamit ci économie bi la crise économie la xamuñu tamit xamuñu daal comprendre ñun ñun def nañ suñu devoir jënd nañ suñu stand jënd nañ suñuy euh, jël nañ suñuy bagage installé exposé nañ loolu moo loolu la ñu waroon def def nañ ko même di xaar li si des devoir euh, kii bi la état maanaam xaw ma établissement bi mooy CICES seen devoir la li si des ñoom ñoom ñoo xam mënuma si explique leen parce que man mënuma xaw ma si yooyu lu bëri. ndax am nga yaakaar ne fileeg foire bi di jeex dina mën a defaru mbir yi. waaw am naa si yaakaar bu baax waaw am naa si yaakaar bu baax parce que nii lay demee ngaay nii la début bi dafay dafay calme fin bi daal di neex nga sant yàlla bu fekkoon ne ngaay chaque saa yu nekk nii lay mel nga kii ñun du duñu ñëw année yi ma def si foire ay 10 ans du ma ko ñëw ndax saa saa yi nekk dinañ ñëw chaque année dina ñëw début bi métti lool fin bi L'année nga prochaine nga bu bagage ñëw ça veut dire kon kon yàlla suñu borom ni la bindee defee jaay jaay du xey rek neex wala mu continuer neex pour toujours. Euh, ñun sommes ñuy waa Yamiskin di tout ce qui est produit pour la beauté muy gel douche euh, savon de visage euh, lait de corps ay gommage tout ce qui est pour la séduction si ban dëkk nga jógee dëkk ngay représenté. Djourbel Sénégal mais sénégalaise mais de la région de Djourbel ñi nga xamantene moy euh, produit gis nañ nak ku nekk jënd na standam yéen a ngi exposé di dundé yaakaar. c'est vrai stand yi cher na après stand yi da ngay dépenser lu bëri pour defaraat sa décoration stand tout té ba légui foire bi amul amul nit. ba paré malheureusement euh, ki bi dess na communication parce que da ngay tassé ni tété tey sax ñu ne la xamoon foire dafa ubbi loolu tam dafa xawa dess des communication bi daal na daal moo tax amagul ñaata at ngay def ne ngay ngay bokk si ñi exposé si foire bi. Euh, man nak yaa naa ñëw foire mais tam naa 3 ans yoo xam ne ñëwuma après bi ma duggaatee ci produit yaa miskin ci laa ne pourquoi pas ma ñëwaat comme min naa foire ma ñëw duggaat ci foire bi. comme que yàgg nga ko fréquenté foire bu daaw foire bu bu yàgg ba ak foire bi ndax am na différence. waaw si am na différence parce que comme man gëj naa yaa euh, euh, ça fait 3 ans yoo xam ne ñëwuma année bi moom pour l' instant moom gisaguñ loo xam ne peut être am na kii daal am na tuuti blocage par rapport ak yeneen foire yi des na daal lan waral bah je sais pas peut-être est-ce que la vie est chère wala soit dëkk bi amul xaalis wala muy communication moo parce que ñun suñu foire à chaque fois d'habitude premier jour on ngay commencé jaay ça fait presque une semaine tey ba léegi da ngay foraatu rek am na installé guñu wala da ngay xëy du matin au soir soo paree noonu de tëjaatee wàcc après dañ a di xaar soit ñu ne xam d'ici tey su ngoon ak week-end bi peut-être dina am tuuti rush mais pour l'instant on n'y a rien du tout. lan nga yaakaar comme solution tey pour mën améliorer la vente plus de communication rek ak plus tey genre nous ci rajo yi télé yi pourquoi pas ñu xamné ne carrément que ne foire parce que la plupart des gens koo mu ne la xaw ma ne foire ubbi soit dang ko yëg te wala té tey rek ki tasa dafa ne xaw ma ko donc peut être bon xam ne si y avait plus de publication ay genre euh, affiche ak yoyu xeyna ci radio yi télé yi dinañ xamné ne ñu mëna ñew